nous sommes réunis aujourd'hui face à la presse pour informer l'opinion nationale de la situation que nous, câbles distributeurs du Sénégal, vivons depuis des années dans notre pays. En effet, cette activité, légiférée par l'État dans le nouveau Code de la presse, n'est pas réglée judicieusement par nos autorités judiciaires. On ne peut pas comprendre que des milliers d'entrepreneurs sénégalais se voient humiliés, traqués, traînés devant les tribunaux et des fois même emprisonnés. Nous jugeons qu'on doit faire l'objet d'un traitement digne de notre rang d'entrepreneur et de pourvoyeur d'emplois dans le pays. Nous appelons nos autorités à plus de flexibilité à notre égard, car on n'est ni des voleurs ni des malfaiteurs, mais juste des acteurs, facilitateurs de l'accès à l'information à des prix et un service défiant toute concurrence. Nous ne saurons terminer notre discours sans réaffirmer encore notre soutien aux câbles distributeurs, nos collègues câbles distributeurs de Mbour, et particulièrement à ceux qui ont été interpellés hier au niveau de la police de Mbour, euh, Maudou Diagne, Murtala Ndiaye, Ngale Gueye et Samba Gay aussi. Il s'est passé que hier, il y a eu, on a eu la visite euh, de la police avec euh, des éléments des concurrents particulier des câbles distributeurs, en l'occurrence Canal Horizon. Pour faire, euh, ils ont procédé donc ici à Hambourg à un démantèlement des dispositifs de diffusion, de redistribution de, chaînes de télévision par câble. Ils nous reprochent certainement, comme d'habitude, euh, les contenus que nous mettons, c'est-à-dire les chaînes que nous mettons, que nous diffusons à l'intention des, spectateurs, des, des, clients sénégalais en fait. On a parfaitement le droit, parce qu'il suffit juste de contracter des contrats, en tout cas des ententes avec les éditeurs de chaînes, pour pouvoir maintenant mettre ces chaînes. En fait, c'est une procédure euh, récurrente de Canal Horizon. On a l'habitude de ça. Avant même que le nouveau, nouveau code de la presse euh, n'encadre ce métier, on a toujours subi donc, les assauts de, de ce concurrent qui juge peut-être qu'on ne devrait pas être dans le paysage médiatique de notre pays le, travail continue. C'est peut-être que c'est à que ça a été paralysé hier, mais dans tout le Sénégal, vous savez qu'on est majoritaire dans la distribution de chaînes de télévision dans ce pays. Donc euh, euh, le travail a été paralysé très vite, très vite, parce qu'on on, a pu donc finir. Euh, la chose au niveau du tribunal. Ceux que j'ai cités tout à l'heure sont là et c'est des têtes même des GIE, c'est des présidents, c'est donc c'est des responsables d'Embourg

passé wul jafé jafé bi nga xamné mom moom la câbleau am partout ci Sénégal depuis des années jafé jafé nak nag wul muy canal canal bi nga xamné ñëpp mom lañ xam suñu ñëwé ci ñun di seet di wurt di di xool seen yëf ndax mom lañuy doxal wala doxaluñ ko buñu accès ci suñu centrale yi ñun ay responsable lañ fi kenn daw fi fi ay boromi kër ñoo fi ne yor seen i kër yor seen i njaboot yor ay employé di attribuer ci développement réew mi kon kenn ku fi daw mbaa ngay daay amul waaw bu ñu soxlaa dañuy woo ñu ñëw ñu ubbi centrale yi ñu xool seen i bagage lan lañ ci moom ak luñ ci moomul loo xamante ni yoon dañ cee war a topp ñun dawuñu daay fu ñuy woo yoon woo ñu wuyu waaye buñ ñëwee dañ dul def loolu fi problème bi nekk mooy buñ ñëwee dañuy def sabotage sabotage bi ñuy def mooy bu ñu accès xooluñu luñ moom ak luñ moomul su ñëwee li ñuy njëkk a def mooy bagage matériel yi nga xam ne moo gën a chair permettre ñuy émettre moom la ñu njëkk a buddi jël yóbbu waaw jël yóbbu suñ ko yóbbee dagg fil yi saboté ko complètement pour pénaliser système bi ba nga xam ne maam kablo balaa remettre bagage am yooyu bay takkaat signal bi dana mat ñaari fan wala ñetti fan ca jamono boobu askan waa ngi toog war a am droit à information ñëpp toog te kenn di ko seetaan kenn du seetaan mo xew mbuur démb ba tey kenn seetaanu quatre ci population bi câble la ñuy amuñu moyen jënd canal waaw canal nak légui nak mom mënul nangu accepter loolu depuis des années waaw té ñun lii ñuy def dafa match ci social parce que fii dangay ngay dugg ci kër di encaisser fekk fa situation boo xam ne waxuma la ngay encaisser mais da ngay jël la nga yor nga bàyyi ko fa. dañuy ja dañuy attribuer ci développement réew mi doxal askan yi euh, njaboot yi nga xam ne amuñu moyen ñoom ñi am nañ droit en l'information comme ki am yi milliards ni mu ko amee. droit bi nag li tax ñu am pour def ko mooy code de la presse bi ñu mujjee def reconnaître ne câble bii ñuy def nii ndongu na ne moom ab liggéey du sàcc du du du lu ñuy jubati.